Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez l'actu des jeunes. Je suis Ruketop Topdraman avec à mes côtés Adam Damsefo. Salut Nafisa Salut Rukaya. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine D'abord, nous allons parler de Facebook, ce réseau social qui cartonne auprès des jeunes. Et tiens-toi prête, en cinéma, on fera un tour à la salle Olympia de la Blouson de Niamey pour parler d'une nouvelle série à la nigérienne. Enfin, on terminera par du football. Alors, c'est parti. Destination Birningaure de la région de Dosso où le centre de formation professionnelle CFM vient en aide aux jeunes. Exactement, Rukaya. Depuis un an, les partenaires de ce centre ont formé et mis à la disposition des jeunes un conseiller pour les orienter sur les choix de filières, mais aussi sur le processus à suivre pour créer une entreprise en fin de formation. Suivons pour plus de précisions Abdullah le conseiller des jeunes de Birningaure. Dans première euh, étape, je les accueille. Et je fais des entretiens avec eux pour mieux les connaître, pour mieux les accompagner, les insérer aussi. Est-ce que vous avez des jeunes que vous avez conseillés qui ont ouvert leur entreprise Oui, oui. Aujourd'hui, si je compte, ils peuvent atteindre jusqu'à 13. Comment est-ce que vous faites pour amener les jeunes à comprendre votre travail Je pars euh, les rencontrer dans leur FADA, faire aussi des publication radio et faire des affiches aussi ici euh, à l'école. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez En tout cas, les matériels. Les jeunes euh, apprenants qui sortent ici, même s'ils veulent ouvrir leur atelier, ils parlent toujours manque euh, d'outillage et aussi quelques sous pour vraiment prendre location des terrains. C'est vraiment là une aubaine pour ces jeunes en et j'espère qu'ils seront en profiter. Exactement, Rukeya, je l'espère bien. Et on passe à présent des producteurs aux internautes. Nafisa, tu vas nous parler du réseau social Facebook qui occupe beaucoup la jeunesse nigérienne. Oui, je suppose d'ailleurs que tu fais partie des jeunes utilisateurs très accrochés au Kenya. Je dirais même des jeunes devenus dépendants de Facebook. Mais la question qui me taraude l'esprit Rukaya, c'est qu'est-ce que les jeunes vont chercher sur Facebook Alors, écoutons leur réponse. J'aimerais bien savoir. Nous cherchons sur Facebook des relations, c'est pour des communications entre des amis et avoir des informations en Vraiment, moi, je me sens une fois après deux jours sans connecter sur Facebook. Facebook, c'est pour euh, avoir des nouvelles des amis avec lesquels on ne s'est pas vu pendant des années ou qui sont à l'étranger. C'est une façon de prendre contact avec eux. Et puis aussi d'avoir les actualités. Il y a des hommes hein, qui portent euh, la photo d'une fille pour euh, draguer ses camarades parce qu'ils savent qu'une fois qu'un mec a vu une photo de demoiselle, il va commencer à draguer la fille. Je veux qui c'est On a perdu un camarade Il a que c'est une demoiselle. Il a demandé l'argent. Quand je drague, je demande le compte Facebook euh, autre. Ça, ça peut aller. Mais le contraire, vraiment, je pense pas que ça peut aller. Chez moi, c'est-à-dire de la draguer sur Facebook. Oui, pour moi, ça, je n'ai jamais essayé. Alors, <laughs> ah, à toi aussi, tu utilises Facebook. Je me demande hmm. bien à quelle fin. Je te dirai plus tard que c'est une longue histoire. Tu as dû aussi avoir à faire face à des dragueurs, n'est-ce pas <laughs> à, présent, un sujet plus sérieux. Nafisa, au Niger, les jeunes prennent la commande du cinéma, les commandes plutôt. Exact, Rukeya, la maison de production cinématographique à Nigerwood a projeté samedi à Niamey la série Une saison au Niger. C'est une projection privée qui vise à expliquer aux partenaires la démarche entamé pour la réalisation de la série qui comporte 52 épisodes. Une projection qui a d'ailleurs été très appréciée par les invités. Notre reporter Habib Garba y était aussi et voici son reportage. <laughs> C'est cette ambiance qui a régné tout au long de la projection du film qui a duré une heure. Une saison au Niger. Le titre de la série a tenu le public en haleine. La jeune réalisatrice explique de quoi parle la série, Samira Djingo. Une saison au Niger, c'est une série qui essaie de mettre en lumière tout en traitant des mots qui minent la société comme l'intolérance religieuse, la migration, les phénomènes de iPhone et de prix exorbitants d'uniformes qui font en sorte que certaines de nos sœurs se vendent. Présent à la projection, le ministre de la la renaissance culturelle, s'est dit satisfait du film et des thématiques abordées. Asumana Malam Issa. Je suis agréablement surpris, surtout lorsqu'elle m'a dit que ce n'est pas la version finale. J'étais émerveillé parce que vous avez ressorti une carence de notre société, celle de croire que la religion interdit le mariage interreligieux. Je me ravise qu'aujourd'hui, j'ai pas eu tort de vous accompagner dès ma prise de fonction à croire à votre premier projet, Samira. Suleiman Salha, un jeune cinéphile nigérien, s'est dit émerveillé lui aussi par la série. Il encourage la jeune réalisatrice. J'ai été très touché en le regardant et ce qui m'a beaucoup plu, c'est de le voir que c'est des jeunes qui l'ont tourné avec une équipe technique jeune, avec beaucoup d'acteurs jeunes. Vraiment, félicitations à l'équipe euh, qui a tourné cette série et je pense que cette série aura bon vent au Niger et sur le plan international. À la fin de la projection, le premier CD a été vendu aux enchères à 100 000 francs CFA et la présentation des acteurs et techniciens a sanctionné la cérémonie. 100 000 francs CFA Vraiment une source de motivation, Nafisa. Je commence déjà à avoir des scénarios en tête. <laughs> et moi, j'ai déjà hâte de suivre l'intégralité de cette série. Et, pour rappel, Niger Wood a commencé ses activités il y a seulement neuf mois. Eh, à présent, le sport, euh, oui, surtout le foot, euh, bien que ce n'est pas mon fort. <laughs> C'est le fort de Soumana, notre chroniqueur maison, n'est-ce pas Et Nafisa, les équipes euh, seniors et juniors du Niger n'ont pas eu leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations eh Égypte 2019. Et oui, eh c'est regrettable. C'est regrettable, mais c'est définitif. Les deux équipes de football MENA du Niger sont éliminées. Les seniors ont été tenus en échec en mars par les pharaons d'Égypte, les U23 ou si vous préférez les moins de 23 ans battus par les Ivoiriens ne participeront pas également à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le mauvais classement, un manque d'application de certains joueurs en seraient les causes, évoque le lieutenant Abdelkarim. Il est le secrétaire général de l'association sportive de la garde nationale. Il est au micro de notre reporter Soumana Amadou. Le match contre l'Égypte, je ne peux pas comprendre que des joueurs comme Adebayor soient placés en deuxième partie de jeu. Il est vraiment un joueur talentueux que quelle que soit la situation, même s'il met un peu du temps quand même sans s'entraîner, peut plus s'en sortir. Si on prend le match contre la Côte d'Ivoire, c'était vraiment la collectivité qui a causé des problèmes. Nous avons des très beaux joueurs, mais ces joueurs ne sont pas totalement collectifs. Chacun veut ouvrir le score, chacun veut ouvrir la marque, mais c'est un problème. Nos joueurs, j'ai l'impression qu'ils sont très distincts quand ils sont sur un terrain. Ils sont jamais concentrés par le match. Peut-être ils pensent à une victoire, peut-être ils pensent au public qui est là. Souvent, vous allez voir des joueurs même qui changent de comportement quand le public parle. C'est dangereux. Moi, je me dis, un joueur, quand tu montes sur le terrain, tu oublies carrément le public. Il ne faut pas penser uniquement à la victoire, il ne faut pas penser uniquement à l'échec, mais il faut penser au bon jeu que même si vous échouez, les gens savent que vous êtes donné. Et comme tu l'as dit, Nafisa, c'est vraiment la désolation chez les jeunes supporters. Vraiment très regrettable pour des équipes qui sont l'espoir de toute une nation. mais vraiment, on les encourage à aller plus loin. En tout cas, et c'est la fin de l'actu des jeunes. Merci de l'avoir suivi et merci à toi, Nafisa. On se reprend la semaine prochaine. Oui, génial. Merci à toi également. À la prochaine. Et ne changez surtout pas de fréquence. Dans un instant, c'est l'heure de la FADA, le magazine des jeunes. <laughs>